Bienvenue chers euh, auditeurs à ce nouveau numéro du forum euh, du studio Kalangu. Vous nous recevez à travers notre réseau dynamique de 52 radios partenaires émettant dans toutes les huit régions du Niger. Comment se porte le cinéma nigérien est notre thème de ce soir. Selon un rapport euh, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture publié en octobre 2021, l'industrie du film en Afrique reste largement inexploitée. Selon les propos de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, rapportée par le site officiel de cette institution onusienne, cette publication de l'UNESCO sur l'industrie du film en Afrique met en évidence le grand potentiel du secteur audiovisuel africain, à la fois en termes de créativité et de croissance. Ce rapport qui présente aussi une cartographie complète des industries cinématographiques et audiovisuelles sur le continent noir souligne que de nombreux aspects de l'industrie cinématographique et audiovisuelle restent informels, avec seulement 44% des pays ayant une commission cinématographique établie et 55% des pays et une politique cinématographique. Quels sont les progrès enregistrés au Niger dans le domaine de la production cinématographique Quel avenir pour le cinéma nigérien Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir comme invité Monsieur Sani Mogori, il est le directeur général du Centre national de la cinématographie du Niger. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir. Notre deuxième euh, invité est euh, M. Boubouk Djengaray Maiga. Il est le secrétaire euh, général de l'Association nigérienne des producteurs de contenu audiovisuel et cinématographique du Niger, AMPAC. Monsieur le secrétaire général, bonsoir. Bonsoir. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. Parlons tout d'abord de la genèse du cinéma nigérien. Pour ce faire, nous suivons ce témoignage de Djengare Maiga. Il est l'un des cinéastes les plus prolifiques du Niger. Actuellement, il est le seul d'ailleurs de sa génération qui continue à produire des films de fiction, de long métrage. Nous écoutons Djengare Maiga au téléphone avec le studio Kalango. Je suis Maïga, euh, le plus ancien des cinéastes qui reste encore. Donc je suis encore là et je continue à travailler. Il faut le reconnaître que le cinéma en Afrique, c'est venu grâce à la France. Le ministre de De de la Culture, André Marlot, en 1962, c'est lui qui a rencontré Semben à un forum de livres. Et puis, André Marlot lui a dit pourquoi il n'y a pas de cinéaste africain Semben lui a dit pourquoi pas, j'aime bien. Et c'est comme ça que le cinéma africain est né à partir de Semben de Soumane dans les années 62. Et ça a trouvé que Moustapha Alassane, lui aussi, ici à Niamey, il a travaillé avec Jean Rouge. Alors, la cellule du cinéma africain est créée en France. Et ils ont mis un dirigeant qui s'appelle André Debris. Mm. il s'occupe du cinéma africain. Et André Debris, en ce moment, il disait à tous les Africains qui aiment le du cinéma, envoyez vos dossiers, on vous envoie des équipes pour tourner. Moi, je suis rentré dans le cinéma en 1965. On comprends, grâce à, à l'amour que j'ai sur le cinéma et grâce à à Mustafa Alassane et puis Jarouche que j'ai connu comme ça. Et c'est comme ça que le cinéma nigérien a commencé. Et Jarouche, lui, il a privilégié les gens qu'il connaissait, c'est-à-dire les Omar les autres cinéastes, les Yunus Ouseni, les Mariam C'est eux que Jarouche, lui, a privilégié. Alors c'est comme ça que le cinéma est venu en Afrique et au Niger. Moi, je fais du cinéma, c'est pas pour gagner de l'argent ni les honneurs. Je fais du cinéma pour la postérité. Jusqu'aujourd'hui, présentement, hier, j'ai travaillé sur un film. Ça m'a rendu malade. J'étais dans une brousse, dans un village, j'ai travaillé toute la journée, j'ai fait mon dernier film qui s'appelle la, la du président. Comprenez, Donc, c'est l'amour, c'est pas l'argent. Je n'ai eu l'argent de personne jusqu'à aujourd'hui pour faire ce film-là. Mais le peu d'argent que j'ai reçu à droite, à gauche, c'est ça qui me permet de travailler. Je n'ai jamais eu un budget comme les autres. Si on a le soutien de l'État pour faire des films, mais c'est bon moi qui est sorti d'interview avec le président Bazoum, Bazoum a promis un milliard pour faire du cinéma. Si ça c'est concrétise, c'est bon. Ils n'ont qu'à donner aux jeunes, ils n'ont qu'à travailler. Nous, on n'a même pas besoin de tout ça. Celui qui va dans le cinéma, si tu ne fais pas attention, tu vas même vendre ta chemise pour aller faire des films. Euh, j'ai fourni toute ma vie en faisant des films. Jusqu'aujourd'hui, j'ai fait 11 longs métrages. Celui qui veut faire vraiment, je l'encourage. Et si je peux l'appuyer, je l'appuie. Mmh. Parce que c'est ça que j'ai choisi comme métier. Donc, pour les jeunes qui aiment faire du cinéma, ils n'ont qu'à s'y mettre. Ça, c'est le conseil que je donne. Si tu ne te mets pas, tu ne fermes pas tes yeux, tes oreilles pour travailler, tu ne feras jamais du cinéma. Tout film est fait avec des souffrances. Voilà. Monsieur San Mogori, directeur général du Centre national de la cinématographie du Niger, il faut rappeler que vous êtes également auteur euh, de films. Que retenez-vous de ce passé euh, du cinéma nigérien Merci euh, beaucoup, merci à, aussi de Kalangu qui, inlassablement, à chaque fois que l'occasion se présente, ne manque pas de motiver les cinéastes nigériens à travers les émissions. Mm. Donc, euh, effectivement, nous venons du côté euh, C'est, il est le mieux placé, en tout cas, pour faire la genèse du passé du cinéma nigérien. Et il est aussi mieux placé pour donner, en tout cas, des conseils à la mm. jeune génération, parce qu'il a suivi en tout cas avec euh, attention jusque-là, mhm. celui qui fait encore des films. Depuis 1965, il est dans le cinéma. Depuis, il mhm. est à la fois acteur, réalisateur, producteur, caméraman. Donc vraiment toute la chaîne de la mhm. production, il est mieux placé en tout cas pour l'évoquer au passé et au présent. Donc euh, je crois aussi que avec euh, ce dynamisme, n'est-ce pas, du cinéma nigérian aujourd'hui, on peut le placer euh, grâce à l'État qui a créé, qui a mis en place, en tout cas, le Centre national de la cinématographie du Niger depuis 2008 mhm. pour euh, marquer sa volonté à relancer euh, le cinéma. Et comme l'a dit bien dit le vieux Jingare Mega, mhm. effectivement, aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, le cinéma, c'est sur l'argent, n'est-ce pas mhm. Même si avant c'était beaucoup plus du volontariat, de l'amitié, de la fraternité entre les anciens. Mm. entre Jarouche et ses, camarades mm. qu'il a formés. D'autres étaient des autodidactes. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une ère où la production n'est plus de l'autoproduction. Mm. C'est-à-dire, on a besoin aujourd'hui vraiment que l'école de métier se fixe et je crois que c'est ça qui a poussé les producteurs à s'organiser. Mhm. Parce que si on veut effectivement relancer le cinéma et, avoir cette dynamique, il faut que le corps de métier soit très bien structuré mhm. pour que chacun joue son rôle. Et c'est à ce moment qu'on arrivera effectivement à à Il faut une bonne formation. Oui, il faut la formation, mhm. de l'application aussi, parce que c'est ce n'est pas la formation qui manque. Il y a énormément d'ateliers, les gens suivent des formations, mais concrètement, il faut aller dans vraiment la pratique. Monsieur le directeur général, si on fait un regard rétrospectif euh, sur le cinéma nigérien, qu'est-ce qu'il y a lieu d'apprendre euh, de toutes ces productions cinématographiques euh, réalisées par des cinéastes nigériens On n'a pas que Djangara Maiga, nous avons plusieurs autres, ou Oganda, Mustafa Alassane qui a également beaucoup produit. Qu'est-ce que nous devons retenir de tout cela Bon, il faut retenir qu'il y a une richesse, en tout cas culturelle au Niger, qui est inépuisable. Parce que, que ce soit euh, dans le cinéma, le théâtre, il y a énormément d'efforts des gens ont fait. Euh, en tout cas, traité de beaucoup de questions. Mhm. Et jusque-là encore, il y a beaucoup de choses à faire. Mhm. Et ça témoigne aussi de, euh, d'une certaine époque où le Niger était quand même le pivot le leitmotiv du cinéma africain. Mhm. Grâce à ces pionniers dont vous en avez parlé. Il y a d'ailleurs un prix à partir déjà de 1966. Tout à fait. C'était le premier prix du Festival mondial des arts nègres remporté à Dakar justement par Mustapha Alassane. Tout à fait. Et mhm. puis le prestigieux prix du premier étalon des Négas remporté par euh, mhm. Donc euh, quand même, d'ailleurs je refuse aussi le terme qu'on dit que le cinéma nigérian dort aujourd'hui. Ce n'est pas la même époque parce qu'aujourd'hui, si on tient compte également euh, des, efforts que les cinéastes font, il n'y a mhm. pas un pays qui, nous dépasse. Mhm. Ailleurs, les gens, ils ont toujours de l'argent pour faire leurs films. Ici, le problème, c'est que jusque-là, nous n'avons pas encore ce fonds qui permet aux cinéastes de prétendre avoir de l'argent et aller faire leurs leur, leur films. Mhm. Si on arrive à cela, vous allez voir que euh, notre cinéma va encore reprendre sa place. Voilà, Mais et comme vous voyez sur le plan du cinéma documentaire, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un pays de la sous-région qui nous donne des leçons par rapport à ça. Mhm. Nous allons revenir sur certains aspects, monsieur le directeur euh, général. Boubkara Djengara vous êtes le secrétaire général de l'Association nigérienne des producteurs de contenu audiovisuel et cinématographique euh, du Niger. Justement, aujourd'hui, quel message véhicule euh, le cinéma que vous, vous faites euh, en tant qu'acteur du cinéma que chaque film, il y a un message à, à passer. Mhm. soit sensibiliser, éduquer et informer la mhm. société. Et généralement, quand vous regardez des euh, les films nigériens, la plupart, la plupart parlent vraiment de, des phénomènes socioculturels que mhm. nous vivons euh, au quotidien sur, le plan social. Donc, c'est ce genre de message que nous, nous avons à passer vraiment à travers nos, notre, cinémas. il faut noter que à leur époque, certes, euh, c'était du volontariat, ils, étaient déterminés, mais ils ont aussi un petit coup de pouce. Mhm. Hein, parce qu'avant, euh, il y a aussi, euh, comme le vieux l'a dit, il va parler de, de la France, il y a la mhm. coopération française quand vous voyez tous les films d'avant, c'est toujours, ils ont toujours eu l'appui de la coopération française. Mhm. ça a été souligné voilà, justement. Voilà. Du coup, euh, mhm. maintenant, nous, on n'a pas, peut-être, on n'a pas ce privilège. Il y a des fonds à l'extérieur, il faut postuler. quand tu as un dossier solide, c'est vrai, ils vont t'accompagner, mais c'est pas trop facile. Mhm. Maintenant, l'avantage que nous, nous avons, c'est on est à l'ère du numérique. Eux, à leur époque, c'était la pellicule, c'était les analogique, c'est difficile. Le tournage même était plus difficile. Très difficile de trouver le, matériel. Tout était difficile. Mhm. C'est-à-dire que même manipuler les appareils, ça, ça demande énorme. Une, euh, euh, comment C'était à l'époque d'un pour le son. Voilà, mhm. c'était vraiment difficile. Alors qu'avec aujourd'hui, tu as une petite caméra, tu cherches un micro. En tout cas, même avec des téléphones, aujourd'hui, des gens arrivent à produire des films. Vous vous rendez mhm. compte à quel point c'est facile. Malheureusement, maintenant, les gens, ils, euh, mettent plus l'argent en avant que, que, la production elle-même. Mhm. Vous voyez Donc, c'est cette petite différence qu'il a. Mais, euh, depuis un certain moment, on a décidé de mettre en chose cette, euh, notre association, Association des producteurs, mhm. et dont l'objectif était d'abord de relancer le, le cinéma nigérien, ensuite euh, de structurer aussi le cinéma nigérien et de formaliser surtout le, tous les producteurs mhm. qui, aspirent à faire du cinéma au Niger. Parce y a énormément de maisons de mhm. production, certains sont euh, dans l'informel, d'autres mhm. sont dans le formel, mais il faut qu'on euh, on, marche sur la même ligne droite, avec avoir des objectifs vraiment pour le cinéma nigérien, pour faire vraiment rehausser le cinéma nigérien. Vous parlez donc de votre association qui est l'Association nigérienne des producteurs de contenu audiovisuel et cinématographique euh, du Niger. Et quelle analyse faites-vous de la situation actuelle du cinéma au Niger quand ah, vous parlez de mm. relance, est-ce à dire qu'il faut mieux faire ou oui, il faut mieux faire, il faut mieux mm. faire. C'est vrai, euh, aujourd'hui, on produit des films. Chaque un an, chaque deux ans, il y a un film nigérien qui sort. Mm. Vous voyez, euh, mais vous savez pas comment est-ce qu'on arrive à produire ces films voilà, c'est là où le bas blesse. Mhm. On produit certes, mais comment Voilà. Moi, de 2015 à aujourd'hui, j'ai eu à produire cinq films. Mhm. Dieu seul sait comment j'ai pu faire ces films. Je mhm. J'ai pas eu de fonds, j'ai pas eu d'accompagnement. Ça veut dire qu'il y a eu des difficultés Tout à fait. Logiquement, si le cinéma marche très bien, ça ne doit pas se passer comme ça. Voyez, il y a toute une chaîne de valeur. Le cinéma, il y a plusieurs corps de métier. Et si chacun fait logiquement son travail comme ça se doit, moi, je n'ai même pas négocier avec les acteurs si moi je suis réalisateur, mon DG peut être mon producteur, c'est lui, à lui de voir les acteurs. Mmh. Vous voyez, après tout, quand le film sera fini, il y aura celui qu'on appelle le distributeur qui va gérer ensuite la suite, les projections, les euh, la diffusion à la télé. Mmh. Tu vois. Il y a donc euh, des difficultés financières on a la chance euh, d'avoir euh, dans ce studio le directeur euh, général du Centre national même de cinématographie du Niger qui est là avec nous. Monsieur le directeur général San Mogori. à l'heure actuelle, quelles sont les difficultés, quels sont les grands défis Pourquoi les réalisateurs, les jeunes surtout, ont ces difficultés à l'heure actuelle dans le domaine du cinéma <coughs> Merci beaucoup. D'abord, je salue en tout cas les efforts qui se font euh, le dynamisme en tout cas, qui, est là. nous avons cette opportunité d'avoir vraiment des gens déterminés à faire du cinéma leur métier. Mm. Et le problème qu'il y a, il y a le problème de l'argent, c'est clair, mais aussi il y a le problème de professionnalisation du métier. Mm. Parce que le cinéma, comme l'a dit, c'est vraiment une industrie qui, doit, qui doit euh, se mettre en place. Mm. Quand on dit industrie, ça veut dire qu'il y a une chaîne de travail et au cours de cette chaîne, effectivement, chacun a un intérêt. Et mm. chacun aussi doit apporter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a une seule personne sur laquelle tout repose. Et généralement, c'est aussi la personne qui doit avoir aussi le rôle artistique. Mm-hmm. C'est-à-dire pour créer le film, faire en sorte que son idée se matérialise. Donc, euh, ce qui fait que ça ne marche pas, au fait. Parce qu'il y a toujours les films qui souffrent. Soit vous allez voir quelque chose mm-hmm. échappe, ou du moins la technique n'est pas raffinée. Parce que mm-hmm. personne on dit que ça, c'est le film où je dois mettre mon savoir-faire pour que ça soit ainsi. Mhm. Bon, euh, le problème de l'argent qui est récurrent, c'est vrai. Et c'est vrai que le Niger fait partie des pays, en tout cas, selon même les études de, l'UNESCO. Mhm. Selon, justement le rapport de l'UNESCO, je le rappelle, intitulé L'industrie du film en Afrique, tendance, défis et opportunités de croissance, publié en octobre 2021, seulement 19 pays africains sur 54, soit 34%, offrent un soutien financier aux réalisateurs. Justement, est-ce que le Niger fait partie de ces pays qui soutiennent la production cinématographique bon, Soutien financier à travers un fonds régulier avec une commission Non. Non, il n'y a pas de fonds. Il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de commission de régulière. Façon Voilà. Donc, mais c'est que ne fait pas partie. Fait pas partie. Mais c'est que sûr. Cités par, euh, voilà. Mais Niger fait partie. Tout à fait. Le fait partie quand même des pays où la, le cinéma est structuré, mhm. où il y, a une, il, y a un centre national de cinématographie, il politique cinématographique. Voilà, tout ça a été dit, à différents aspects abordés par l'UNESCO. La politique cinématographique qu'on en a, nous avons le centre qui a en charge euh, les productions cinématographiques, on a ça également. Exactement. Mais ce qu'on n'a pas, c'est donc euh, ce fond fonds qui doit être disponible. Voilà. Et l'UNESCO précise qu'il n'y a que seulement 19 pays africains qui en disposent sur les 54 soit 34%. si vous me mhm. permettez aussi, en fait, nous, au Niger, nous avons tous les textes. Mhm. Nous avons tous les textes. Et aujourd'hui, nous avons les textes même de l'industrie cinématographique. Et nous avons élaboré un plan stratégique mhm. en 2019 qui, prend effet en 2022 et qui doit aller jusqu'à 2027. Ça veut dire qu'il y a une véritable politique au euh, plan national. Vraiment. Nous avons on a, tout, C'est Le fonds qui n'est pas là. Mais euh, justement. Et les infrastructures. Bon, le fonds ça fait partie aussi, parce que le fonds, il va générer des infrastructures. Mhm. Mais aussi, euh, il faut aussi que la loi qui, qui régit le cinéma soit promulguée. Mhm. Et, bon, la loi est déjà promulguée, il faut qu'il y ait des décrets d'application. Donc nous mhm. avons fait des études également, parce qu'aujourd'hui, au Niger, c'est là où tu tournes ton film, euh, presque gratuitement. Mhm. Un étranger, il vient, il tourne son film presque gratuitement. Mhm. parce que Parce qu'il n'y a pas, euh, jusque-là. Il n'y a... pas une loi euh, qui est. La loi est là, on a élaboré le texte qui vont être adoptés. Mhm. Bon, nos, cinéastes aussi, ils tournent. Mais on ne peut pas leur imposer de prendre des autorisations alors qu'on n'arrive pas à les appuyer. Donc, ils prennent quand même des autorisations à des prix. Euh, est moindre. Mm. Vraiment, c'est la limite, quoi. Mais le cinéma doit s'autofinancer. Mm. L'industrie, ça veut dire que c'est le cinéma qui doit générer de l'argent mm. pour revenir dans le cinéma. Il y a aussi un problème de salles des salles de cinéma, parce qu'il faut que le cinéma soit. C'est vrai, aujourd'hui, il n'y a plus le cinéma vivant tel que ça se passait dans les années 60, où euh, la famille doit aller, où on suit un film sur un grand écran. Bon, même si forcément ça ne peut pas se passer comme avant, parce qu'aujourd'hui, quand même, mhm. Bouba l'a dit, nous sommes à l'ère du numérique. Mhm. Donc, euh, on peut voir le film de plusieurs manières. Mais il faut qu'à chaque instant qu'on regarde un film, ça génère de l'argent. Mhm. Il faut que chaque fois que quelqu'un regarde le film, même si c'est une copie que vous allez faire avec une clé USB, mhm. L'argent devrait être généré d'une manière ou d'une autre. voilà. à l'auteur du film. Voilà, normalement. Mhm. Mais est-ce le cas actuellement On n'a pas l'impression. C'est pas le cas. Normalement, et ça, ça a été encadré par euh, la copie privée. Mhm. Qu'est-ce qu'on appelle la copie privée Aujourd'hui, tous les supports qui sont destinés à être euh, des terminaux pour mhm. voir un film, mhm. écouter une musique, apprécier une œuvre d'art, que ce mhm. soit la clé USB, la télévision, le téléphone, la carte mémoire, tout doit être taxé à la douane par une taxe forfaitaire comme la taxe de l'apprentissage du FAPA, une taxe qui doit être prélevée et versée dans un compte. Et c'est comme ça, c'est des contrats tacites entre les consommateurs et les auteurs. C'est pas seulement le cinéma, c'est tous les arts. ça les œuvres voilà, les œuvres artistiques. musique, et si l'État le fait, si l'État le fait, l'État n'aura plus besoin de mettre l'agenda dans la poche pour financer le site. Il y a même un bureau national qui est en charge euh, la promotion du droit d'auteur, le BND Le bureau national des droit d'auteur, mhm. voilà, qui, doit d'abord pour ce fonds, si une fois ce fonds est créé, par rapport à, au droit, euh, à, la copie privée, une mhm. partie ira à la production, une partie c'est le droits d'auteur. Et là, ça permettra aux artistes tout bord de trouver les moyens pour la création. Mhm. Mais en attendant, nous avons le fonds euh, le FDIC, le Fonds de mm. développement des industries cinématographiques et vidéographiques, mm-hmm. qui est créé depuis 2008 par la loi qui a créé le Centre national de cinéma. Et depuis ce temps, nous nous battons mm-hmm. avec les cinéastes pour que ce fonds soit alimenté. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il euh, y a un problème de production, mais aujourd'hui, la production, comme l'a dit Bouba, ce n'est plus comme avant aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la coproduction. Mm-hmm. Aucun pays. C'est-à-dire plusieurs personnes s'associent. Plusieurs pays s'associent pour pouvoir produire ça donne la visibilité au film mhm. parce que le film voyage mhm. deux ça permet aussi de trouver de l'argent et ça augmente les, les qualités de, de l'équipe mhm. parce que le film il appelle son équipe au film c'est pas on dit il y a une équipe qui doit faire tous les films non un film appelle son équipe quel caméraman pour quel film quel monteur pour quel film quel producteur pour quel film tout cela ce qui nous a manqué aujourd'hui. Sinon, il y a des guichets internationaux, Bouba l'a dit. Mhm. Mais il faut que le film soit écrit, que le budget de production soit bien élaboré. Donc, ça nous renvoie à cette question de professionnalisation. Mhm. Aujourd'hui, il y a des producteurs. Mhm. Il y a des producteurs, mais Aujourd'hui, le problème de la police, c'est que les gens ne sont pas à un stade où ils, vont aller chercher des projets. Même leurs mm. propres projets n'arrivent pas à produire. Mm. Après, faut de prendre le projet de quelqu'un où trouver l'argent. Et si on revient également, c'est pas que l'État aussi ne met pas de l'argent. L'État ne met pas de l'argent directement. Mais mm. aujourd'hui, au Niger, c'est l'un des pays où les sociétés d'État, les sociétés privées appuient la création. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il faut chercher des partenaires ailleurs. Mais quand même, aujourd'hui, au Niger, si vous avez votre projet, vous allez voir que euh, il y a plus des institutions privées, mm-hmm. il y a plus des établissements euh, publics ou bien mm-hmm. des sociétés d'État mm-hmm. que le fonds lui-même. voyez Donc, ce qui fait qu'il y a une dynamique qu'il faut encadrer et vraiment aussi motiver. Voilà, pour que ça aille main, dans la main. Le réalisateur euh, Maiga Meiga a eu à souligner quelque chose, euh, c'est que après le FESPACO, qui est le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui s'est tenu du 16 au 23 octobre 2021. Nous avons une compatriote qui a eu plusieurs prix, Saïcha Maki, et elle avait été reçue avec une délégation à laquelle d'ailleurs, il faut le souligner, vous faites partie. Vous avez donc été reçue par le président de la République, Mohamed Bazoum, et on a appris qu'il y a une enveloppe d'un milliard de francs CFA qui avait été prévue. Cette enveloppe, elle va servir à quoi puisque vous dites qu'il n'y a pas de fonds à ce niveau. Merci beaucoup. Effectivement, suite au succès de, notre délégation euh, au FESPACO, à travers Aïcha et à travers aussi un certain nombre d'activités que nous avons menées là-bas, les échos étaient parvenus au niveau du président de la République qui nous a reçus et qui a s'est porté volontaire vraiment à venir en aide au cinéma nigérien à travers euh, une enveloppe de 1 milliard. Mmh. Bon, c'est vrai, le pays fait face à des situations, mais nous savons que tôt ou tard, cet argent sera à la disposition du cinéma Mais pour le mm. moment. C'était une promesse, donc. Oui, mhm. c'est une promesse, mais nous savons également que dans quelle situation se trouve notre pays. Mhm. Mais donc c'est pour ça qu'on ne force pas la main, on sait qu'il y a des priorités, mhm. bien que aussi le cinéma c'est une priorité parce qu'il contribue beaucoup à résorber d'abord le chômage, à créer de l'emploi, donc c'est les deux vents ensemble, et aussi à venir au secours, en tout cas de certaines situations. donc cette enveloppe va servir à quoi L'enveloppe euh, servira à former les cinéastes, elle servira également à financer la production. Voilà, parce que euh, c'est le fonds de souveraineté. Mhm. Si aujourd'hui vous mettez de l'argent dans un projet nigérien, et beaucoup d'autres pays vous mettront, mettront de l'argent. Mhm. Donc, parce que euh, le Sénégal aujourd'hui, par exemple, qui s'accapare presque tous les, si vous prenez le film sénégalais, vous allez voir presque tous les pays sont dans le générique. Mhm. parce Parce qu'il y a un fonds qui est là, qui permet à tout cinéaste euh, européen de se dire, tiens, je ne suis pas en train de porter que ce sur nous sommes en train de marcher main dans la main. Et je crois que ça arrivera et si nous prête vie, comme l'a dit euh, tonton Djengare Maiga mhm. la volonté politique y est, les cinéastes sont là, ils sont volontaires, et ils sont jeunes, beaucoup, mhm. et puis ils ont vraiment le savoir-faire qu'il faut encadrer et lui mhm. donner un sens. Voilà, il y, a beaucoup de jeunes, surtout des femmes. Ailleurs, euh, il y a des difficultés pour que les femmes euh, portent même le flambeau du cinéma aujourd'hui au Niger. Vous voyez, il y a beaucoup de, de jeunes femmes. Euh, autour de Aïcha Maki, avec d'autres encore, qui, qui essaient de faire, de s'attaquer à des sujets très difficiles, mhm. n'est-ce pas, des sujets que certains hommes ne, prendront, ne prendraient pas de la même manière. Et ce qui fait que vraiment, ça, ça donne une belle image, en tout cas, une bonne crédibilité à nos cinéastes. Merci beaucoup, Bouka Maïga secrétaire général de l'Association nigérienne des producteurs de contenu audiovisuel et cinématographique du Niger, AMPAC. Quelle lecture faites-vous donc euh, de cette contribution de l'État dans la pérennisation de ce patrimoine culturel ou de ce septième mm. art, le cinéma En tout cas, euh, cette contribution, euh, c'est quelque chose que nous attendons, ça fait, ça fait des années et des années. Mm-hmm. c'était une excellente nouvelle après la sortie euh, de l'audience avec euh, la délégation du DG et Aïcha à mhm. cette audience. On, était, on, était, on avait acclamé en tout cas cette nouvelle. Mhm. Et on garde espoir. On dit que le fort paye toujours. Si on avait croisé les bras, dire que ce fonds n'était pas là, on n'allait pas postuler à des festivals, on allait rester croisé, attendre le fonds. Peut-être qu'on on mhm. n'allait jamais avoir cette promesse d'ailleurs. C'est parce qu'on a travaillé de notre côté. Les gens se battent toujours. Donc on ne va pas encore croiser les bras, dire que non, on va attendre, il y a un fonds qui va venir, on va faire. Non on va encore travailler. Mhm. On va travailler. Le fond, il n'était pas là, on travaillait. Donc, on ne va pas dire qu'on va attendre ce fond encore pour faire des films. Non. Jusque-là, actuellement, je suis sur un, sur un projet. Mhm. Et je ne compte, pas, compte pas sur ce fond pour réaliser ce film. Je me dis que si ça vient, c'est bon. Si ça ne vient pas, en tout cas, on, euh, on va aller jusqu'au bout. Quoi. Voilà. Merci. Merci bien. Voyons à présent dans la deuxième partie de ce forum l'avenir qui s'offre au cinéma nigérien. Selon l'UNESCO, ce secteur emploie actuellement environ 5 millions de personnes et représente 5 milliards de dollars de PIB à travers l'Afrique. Monsieur le directeur général du Centre national de la cinématographie du Niger, la production cinématographique arrive-t-elle à créer de l'emploi et à générer des revenus à ses acteurs au Niger euh, Oui, effectivement. Euh, donc euh, au rythme de, fonds qui sont reçus par les cinéastes, Gouba l'a dit, que ce soit avant la production ou après. En tout cas, l'argent revient aux, aux, acteurs mhm. de toute la chaîne, que ce soit les techniciens, que ce soit les acteurs qui ont consenti. Et pour le cas des films qui ont bénéficié de fonds extérieurs, ça génère déjà une mhm. certaine économie sur place. Parce que euh, généralement, les films qui sont même coproduits, quand le tournage, depuis euh, la vendeuse de, galettes mhm. jusqu'aux jusqu'au responsable des hôtels, les gens mettent de l'argent. C'est l'argent qui est pris ailleurs, qui est mhm. injecté. Et ça crée toute cette euh, panoplie de métiers, mais c'est vraiment très insignifiant par rapport à ce que le cinéma peut faire. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, c'est des surprises agréables de voir que quand y a un casting, euh, officiel, d'ailleurs le dernier casting qu'on a assisté mhm. de Jaloud, ça a drainé vraiment des gens de, toutes les catégories sociales, mhm. des enfants, des jeunes, des riches, des pauvres. Tout le monde veut venir faire euh, le cinéma, mhm. pas euh, directement pour gagner de l'argent, mais pour pouvoir apporter quelque chose. Mais l'un de l'autre. de l'engouement. Voilà, l'un de l'autre, ça demande de l'argent parce que nous, on veut que tout le monde soit payé. Hein. Nous, on ne veut même pas qu'il y ait des gratuits. D'ailleurs, quand les gens viennent nous voir pour des projets gratuits, on dit non. Parce que quand vous dites gratuit, il faut faire affranchir les choses aux gens. Mm. Gratuit, c'est, on ne voit pas le dynamisme. Mais mm. quand les gens devraient payer pour, euh, pour consommer quelque chose, là, on peut avoir un baromètre pour calculer tout ça. Mm. Vous voyez Donc, euh, l'un de l'autre, euh, nous sommes convaincus qu'il y a de la richesse. Dans le cinéma, c'est pas comme au Nigeria, bien sûr, où mm-hmm. les gens tournent tous les jours mais ici, un acteur, peut-être par, par, an, il va tourner deux fois ou trois fois, mm-hmm. ce qui fait qu'il ne peut pas vivre de ça. Mm-hmm. Voilà, donc, mais quand il y aura une industrie, quand il y a dix films qui se tournent euh, à la fois, on peut considérer dix équipes de travail. Mais aujourd'hui, au Niger, vraiment, euh, il y a un déficit de tout ça. Mm-hmm. Et aussi, la qualité aussi du travail parce qu'il faut le reconnaître. Tout ça s'est amélioré. Donc, euh, le cinéma nigérien évolue donc euh, dans un contexte de rude concurrence. Des obstacles inhibent la croissance du 7e A. Au Nigeria, par exemple, la production cinématographique s'élève à près de 2500 films par an, selon toujours le rapport de l'UNESCO sur euh, le cinéma publié en octobre 2021. Quel impact sur la consommation locale M. Bouroukara Djengara Mega, secrétaire général de mm. l'Association nigérienne des producteurs de contenu audiovisuel et cinématographique du Niger. Merci bien pour, cette euh, question. Mm. Effectivement, euh, c'est dit à, deux, deux, deux, problèmes, je dirais. Mm-hmm. La première des choses, c'est qu'on ne produit pas assez. Il faut mm-hmm. le reconnaître. Parce que euh, nous sommes combien qui arrivent à produire un ou deux films par an mm-hmm. ici Il faut le voir. Nigeria, il y a énormément de producteurs le cinéma, c'est vraiment une industrie, c'est pas à comparer mhm. à nous. Et ils sont directement voisins à nous. C'est mhm. normal qu'on consomme leurs Vous voyez, mhm. c'est normal qu'ils nous envahissent. Si on arrive à produire, à produire assez, je suis sûr que eux aussi, non seulement ils vont consommer les nôtres, et on va aussi consommer local. Moi, j'ai eu à faire une projection et, la fois dernière euh, au Palais de Congrès. Il fallait voir comment la salle était pleine. C'est parce que les gens, ils aiment le cinéma nigérien. C'est parce que les gens, ils ont soif du cinéma nigérien. Donc, si on est envahi, c'est parce que effectivement, on n'a pas assez, assez de contenu chez nous. Mhm. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le peu qu'on a aussi, on n'arrive pas à distribuer. voyez, on a un problème. C'est pourquoi je disais que c'est un problème de corps de métier. Et quels sont les enjeux une fois que le Niger arrivera à être vraiment un grand pays producteur euh, en, termes de euh, cinéma On a vu au Burkina Faso, par exemple, sur les grandes chaînes de télévision, des films burkinabés qui passent euh, très aimés au niveau de beaucoup de pays. Effectivement, l'enjeu, c'est que ça va générer énormément d'emplois. Imaginez si aujourd'hui on, avait, on était 20 eh, ou 40 producteurs qui chaque année arrivent à produire un, ne serait-ce qu'un seul, seul film. Et que sur chaque film, il y a au moins une cinquantaine ou une soixantaine de personnes qui vont travailler. Vous vous rendez compte à mm. quel point ça va générer de l'emploi ça va générer des richesses et que ce film-là va encore ramener de l'argent dans le pays. Parce que mm. imaginez quand les films sortent, les films de Nigeria qui rentrent ici, c'est pour mhm. envoyer de l'argent au Nigeria. Les gens achètent le contenu aussi. L'argent, ça va au Nigeria. Mhm. Si nous aussi, à notre niveau, on arrive à, à, faire sortir. Il y a même les grands bouquets tels que Canal Plus euh, ou des chaînes adhèrent et en contrepartie, on leur verse euh, naturellement de l'argent. On va non seulement vivre dans mm. notre art, on va bien vivre dans notre art. Il faut mm. qu'on produise beaucoup. Il faut que vraiment euh, on ait ces fonds-là et on ait des soutiens de part et d'autre pour pouvoir vraiment produire assez de contenu pour pouvoir offrir aux populations, pour pouvoir faire grandir le cinéma nigérien. Merci beaucoup. Parmi les jeunes réalisatrices nigériennes, euh, en vogue euh, en ce moment. Nous avons Aïcha Maki. Elle était l'invitée de la rubrique euh, L'artiste s'exprime du programme Jeune du studio Kalangu. On écoute donc la réalisatrice Aïcha Maki au micro de Dandy. Le tout premier film que je fais, c'était à Donc, c'est les films qui avaient sanctionné la fin de mon Master 1 en audiovisuel. C'est un film qui s'intitule Moi et ma maigreur. C'était un autoportrait de moi euh, pour évoquer, en prétexte pour évoquer la question du gavage qui font les femmes pour euh, être à la norme, pour être des femmes épousables. C'était un 13 minutes que je fais à, à Après celui-là, j'ai eu la chance, grâce à toujours au Forum et Africa Doc, d'avoir une bourse de la région rhône pour aller à celle louis pour faire un Master G. Et c'est en ces temps-là que je fais un deuxième qui a sanctionné mon Master 2. Lui, ça s'appelle Savoir faire le lit, qui est aussi un prétexte pour évoquer la question de l'éducation sexuelle entre parents et enfants, particulièrement filles et mères, en faisant une comparaison entre la société sénégalaise que j'ai trouvée euh, plus ouverte que celle nigérienne, là où la fille n'est pas vraiment prise en charge par rapport à la question de l'éducation sexuelle. Et sachant que si la famille ne dit pas, c'est la rue qui s'en accapare et on sait que si la rue s'en accapare, ça fait rage. Et ensuite, dans la, même continuité, en fait, ça le savoir, je, faisais un cinéma qui s'intéresse au corps. Il y avait savoir faire le lieu corps de séduction. Après, je fais euh, arbre sans fruits, corps de maternité. Parce que là, c'était un autoportrait. J'ai évoqué la question des histoires croisées. Deux histoires, celle de ma mère qui est décédée en couche, c'est-à-dire en donnant la vie, et la mienne qui était une femme au foyer qui n'arrivait pas à donner la vie. Ok, et la femme n'est pas que mère au fait. Voilà. La femme, euh, elle est femme, mhm. tout simplement, et on peut être euh, mère sans donner la vie. parce que euh, prendre soin d'un enfant, c'est pas forcément quand on le met au monde, parce qu'on voit des gens qui les mettent au monde et qui les enterrent vivants. Ah. Donc ça, c'était l'arbre sans et le tout dernier, le nouveau-né, y a un an, bientôt c'est Zenda. C'était donc la réalisatrice Aisha Maki au de Dondi dans l'émission Tous à la Fada du studio Kalangoud. Nous revenons dans ce plateau. Monsieur le directeur général du Centre national de cinématographie du Niger, San Mogori, quel type de cinéma faut-il promouvoir pour donner un nouvel essor au 7e art nigérien. C'est-à-dire, nous avons des films de fiction, nous avons des dessins animés, nous avons aussi des films documentaires. Aïcha Maki, par exemple, elle fait beaucoup plus, euh, j'ai l'impression, des films documentaires. elle n'a fait que des documentaires. Mhm. Et Bouba, il fait beaucoup de fiction. Mhm. Ce qui nous manque aussi, c'est les séries. Il faut mhm. faire les séries, c'est des films de fiction Oui, c'est des films de fiction. Mhm. Des séries qui, qui, qui, ont des épisodes qui mhm. passent. Parce que ça ne coûte pas cher Comment faire pour que ça soit. Une fois, je suivais par exemple un film euh, qu'on diffuse euh, sur beaucoup de chaînes, mais on s'est rendu compte que celui qui avait écrit le scénario, c'est un Nigérien. Oui, vous parlez de C'est la vie, de l'autre, magazine mhm. En fait, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est d'abord les télévisions. Il faut qu'elles interviennent. Parce que les séries sont faites pour les télévisions pas pour le cinéma les télévisions. Mm-hmm. Donc les télévisions doivent investir de l'argent pour avoir du contenu et avoir des annonceurs aussi. C'est-à-dire des gens qui vont prendre le programme pour faire de la publicité. Mm-hmm. Deuxièmement, il faut aussi que les gens écrivent vraiment des scénarios. Parce que franchement, la série, c'est pas comme un court métrage ou un film de long métrage. Mm-hmm. La série, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Aussi des films genre, des films de consommation courante, c'est-à-dire des films thématiques. Et c'est ça le Nigeria est spécialisé là-dessus. Quand vous parlez de production du Nigeria, là, de réalité, en réalité, ce n'est pas vraiment des films euh, qui ont de grandes euh, postures, mhm. n'est-ce pas, que tu vois dans les grandes chaînes. C'est des films vraiment qui sont destinés auparavant à la consommation locale. Mhm. Déjà, les, cadrages est mal fait, l'éclairage, c'est pas le problème. Mhm. Je sais qu'on veut, ce qu'il y ait une histoire, qu'il y ait des gens qui savent rire, tu vois. Et on oublie la qualité tu vois, la chance. Soheya, par Effectivement, c'est vraiment des que les femmes aiment écouter d'ailleurs. c'est des mm. films qu'on tourne en 24 heures. En 48 heures, le découpage est fait, les gens ils s'en foutent de, de, de, mm-hmm. respect des plans et tout et tout. Donc, mais nous, la manière qu'on fait, c'est vraiment la manière francophone. Mm-hmm. Parce que le cinéma a un système anglophone, mm-hmm. où vraiment ceux qui sont mis en avant, c'est surtout les acteurs. Ici, ceux qui sont mis en avant, c'est pas les acteurs, c'est les producteurs et les réalisateurs. Tu vois, aux États-Unis, vous allez voir un film, très grand film, vous ne savez même pas qui l'a réalisé. Mais vous gardez l'acteur. Mm Si vous Titanic, il y a des gens qui ne savent même pas qui a fait ça. Mais mhm. dès qu'on dit Jacques, qui a oublié même qu'il a tourné Titanic aujourd'hui, donc il a fait d'autres films. Donc aujourd'hui, nous allons aussi, nous pouvons avoir ces genre de système avec la mhm. coopération avec le Nigeria, mhm. qui vont permettre à nos films d'aller au Nigeria. De, rentrer dans le marché du Nigeria. Ils sont plus de 100 millions. Donc c'est un marché potentiel. Nous partageons une longue euh, frontière. voilà. Mais ce qui nous manque véritablement, pour qu'on puisse imposer cette, euh, cette politique, il faut qu'on mette de l'argent. Mhm. Si aujourd'hui Bouba c'est que si on lui donne 5 millions, parce qu'avec 5 millions, on peut aller au Nigeria tourner un film. Mhm. Avec 5 millions, on peut amener toute l'équipe du Nigeria. Vous l'avez fait pour euh, le, cri de la tourterelle Ça, c'est un documentaire. Mhm. Et c'est le il a imposé qu'on aille là-bas. Mhm. mais, la fiction n'impose pas. Donc, avec le Nigeria, nous avons les possibilités. Pas parce que euh, ils savent mieux faire que nous, mais pour que nos films puissent intégrer leur marché, leur économie. Aujourd'hui, il y a euh, Arewa. Arewa qui, Qui est une chaîne Aujourd'hui, ils cherchent, des programmes. ils cherchent vraiment des programmes eh, mhm. nigériens mhm. qui vont être tournés. Mais pour que les programmes puissent pénétrer, il faut déjà qu'il y ait des acteurs qui sont identifiés, qui sont connus. C'est le mhm. système anglophone, c'est l'acteur qui porte le cinéma, c'est pas le réalisateur. C'est l'acteur qui, porte le film. Aujourd'hui, si un, film est dans, un acteur et dans un film, tout le monde va chercher à le voir. Donc, nous allons mettre en place cette politique. Nous allons également, parce que la sauvegarde du patrimoine, c'est le documentaire. Si vous voulez sauvegarder une mémoire, vous allez plus le faire dans le documentaire mhm. que dans la fiction. Mhm. Donc, le cinéma nigérien, euh, nous avons un patrimoine, moi je l'ai dit, on a un patrimoine immense mhm. qui, qui, est, qui, vierge, on n'a pas exploité. Aujourd'hui, il y a tellement de choses à dire au Niger que malheureusement, pour faute de moyens, les gens ne s'aventurent pas à les prendre. Mais vous allez voir un étranger qui vient, il a trouvé l'argent ailleurs, il va choisir un, sujet nigérien et faire un très beau film. Si vous parlez du film Marcher sur l'eau, Aujourd'hui, tout le monde sait que quand vous passez la région de Tawa, il y a des problèmes. Chez le Bororo, il y a des problèmes d'eau. Oui. Mhm. Merci beaucoup. Mhm. il, a voulu dire un mot, donc euh, rapidement, puisque nous sommes oui, pratiquement vers la Marche fin. l'eau. est-ce que vous savez, une fois je partais à, Agadez, quand j'ai vu la situation, j'ai dit vraiment, si j'ai les moyens, j'allais faire un film sur, ce, ces gens-là. Parce que je les voyais, je, prenais la zone. Voilà. Mhm. Je prenais la couramment, quoi. Et quand j'ai vu le film, j'étais pas surpris. Et j'ai posé la question à l'actrice du jeu là, Ouagadougou. Je lui ai dit mhm. qu'une une semaine avant, j'étais à Ingal. Mhm. Je lui disais, est-ce que vous savez que je connaissais cette y de la matière. C'est euh, ce, que le rapport, c'est ce que le rapport de l'UNESCO a dit d'ailleurs. Je le rappelle, l'industrie du film en Afrique reste largement inexploitée. Il y a donc de la matière pour faire du film. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Monsieur Boubouka Djungare Mega, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le cinéma nigérien a encore de beaux jours devant lui. De beaux jours, oui. Oui, pourquoi euh, Vous savez, j'ai l'habitude à dire que le cinéma est vraiment le miroir d'un pays. Mhm. Voilà. Le Niger est un beau pays. Dieu merci. Euh, malgré les contextes euh, sociaux, culturels internationaux qu'on entend, l'insécurité, tout ça, on dirait qu'Alhamdulillah, chez nous, mhm. on, voit ce qui se passe ailleurs. Il y a de la matière mhm. pour, faire, pour faire du cinéma tu n'as mhm. pas besoin de voir ce qui se passe ailleurs. Regarde juste ce qui se passe autour de toi. Mhm. On a tellement de thématiques pour faire des films, des très beaux films. Je me dis qu'il y a de la matière, il y a de l'avenir parce que ce n'est pas les idées qui manquent, c'est juste, on a juste un petit coup de pouce mhm. pour faire vraiment du miracle. Mhm. Merci beaucoup. Il faut rappeler justement qu'à travers le cinéma, on peut faire la promotion de la culture d'un pays. C'est ce qu'on a constaté d'ailleurs euh, dans certains pays. Et si par exemple le Niger fait beaucoup de films de fiction, ça va permettre à ce que beaucoup de gens suivent ces films et découvrent beaucoup de choses du Niger. Oui, monsieur Sané Magoré. Mhm. C'est mhm. aussi la protection du patrimoine. Mhm. Parce que généralement, les gens racontent euh, beaucoup de quoi, choses. Tant que ce n'est pas vous qui l'avez raconté. Bien sûr. Si aujourd'hui, vous faites un film sur le mariage Hausa, par exemple, là, le film, dès qu'il passe, il cadre la chose. Quelqu'un qui le fera, on dira non, c'est pas comme ça qu'on a vu. Mais si c'est pas fait, les gens vont raconter n'importe quoi. Mhm. Moi, j'ai vu des films. Avant, les Américains, quand ils font des films, tu vas voir les gens prient n'importe comment. La mhm. prière, on fait comme ça. Quelqu'un qui mhm. ne sait pas, il dit que c'est comme ça. Mais si jamais vous faites un film où on prie correctement, quelqu'un, s'il l'a vu, l'autre, s'il voit les Américains mal prier, il va dire non, non, non, c'est pas, vrai. Donc, Le cinéma permet quand même de protéger la chose. Avant de la, de la vendre, il la protège. Voilà. Et quelles sont les perspectives du Centre national euh, de la cinématographie du Niger en faveur d'une bonne promotion du cinéma nigérien Pour terminer, monsieur le directeur général. En tout cas, je commence à dire que le cinéma nigérien a de beaux jours. Mhm. Je suis tombé sur une vidéo aujourd'hui où j'ai vu que le Niger, c'est le deuxième pays le plus riche au monde, mhm. après le Congo. Mhm. En termes de euh, ressources, de ressources. sous Voilà. Mais sur les papiers, aujourd'hui, on dit que nous sommes le pays le plus pauvre du monde. Mhm. en termes d'indice de développement. En termes d'indice de développement. Ce qui mhm. veut dire que le Niger, là, moi, je suis convaincu. De la même manière, je peux faire une métaphore. Mhm. Nous avons des cinéastes, des jeunes. Nous avons vraiment des jeunes. Il suffit qu'il y ait cette mise en valeur de ces choses-là pour que vous voyez toutes ces choses extraordinaires. Parce que chaque jour que Dieu fait, nous avons des projets qui nous tombent, des gens qui disent qu'ils ont des idées et tout et tout. Mais avec une très belle idée, tu peux faire un très mauvais film. Mhm. Parce que tu n'as pas les moyens, parce que tu n'es pas mûr pour le faire, parce que tu n'es pas formé pour le faire. Mhm. Et nous, nous allons justement former les gens, nous allons leur ouvrir les opportunités comme nous sommes en train de le faire, mhm. créer de la connexion, permettre aux jeunes de pouvoir s'épanouir. Voilà. Vous les mettez en contact avec les, partenaires qui peuvent les aider, les, adultes les, les vieux, les jeunes, essayer de créer cet univers-là pour permettre à ceux qui peuvent épauler les autres plus les épauler, mhm. mais aussi changer le visage de la production. Mhm. Je l'ai dit auparavant. Moi, j'ai poussé les producteurs à s'organiser. Parce que le moyen le plus important euh, d'une industrie, c'est la production. Mhm. Parce que le producteur, c'est lui qui cherche de l'argent. C'est lui qui motive, c'est lui qui paye. Donc, si le producteur ne sait pas qu'il doit chercher l'argent pour payer, s'il pense qu'il faut chercher l'argent pour dépenser, aller se marier et tout, et tout il n'y aura pas d'industrie. Aujourd'hui, beaucoup. <laughs> Aujourd'hui, il faut mettre de l'argent pour que l'argent revienne. Et nous avons fait un plan stratégique jusqu'en 2027 pour mhm. permettre vraiment de booster la production cinématographique. Jusqu'en 2027. Merci beaucoup, Monsieur Boubka Djengaray Pour terminer, vous êtes le secrétaire général de l'Association nigérienne des producteurs de contenu audiovisuel et cinématographique du Niger. Nous avons entendu, ils ont jusqu'à 2027 beaucoup d'actions au nom de l'État, parce qu'il faut rappeler que le Centre national de la cinématographie du Niger est un instrument, un outil mis en place par l'État pour aider les réalisateurs, les cinéastes que vous êtes. Avez-vous des attentes particulières à ce euh, sujet pour on terminer a, On a des attentes parce que vous savez, comme il a eu à le dire, mm. euh, le moyen du cinéma nigérien, c'est la production. Mm. Et si déjà ils ont pensé à, ce qu'on soit bien structuré, je pense que c'est déjà une bonne chose. Ça veut mm. dire qu'on euh, est bien parti. Voilà, donc on a, on a l'association qui est mise en place, on a notre feuille de route à, à, notre manière et ils ont aussi de leur côté ce qu'ils peuvent nous amener en contribution pour qu'on puisse mettre en œuvre tout ce qu'on a comme projet pour le cinéma nigérien. Mhm. Je pense que ça va de pair et que vraiment le cinéma vraiment sera relancé. Merci beaucoup, fidèles auditeurs. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalango qui a eu pour thème comment se porte le cinéma nigérien. Nous retenons que le cinéma nigérien a eu beaucoup de progrès. Des actions sont d'ailleurs toujours en cours euh, et des belles perspectives sont tracées. Les acteurs du cinéma ne se fatiguent pas en tout cas de leur côté, multiplient leurs efforts, font ce qu'ils peuvent pour pouvoir donner une bonne image du cinéma nigérien. Merci donc à nos invités. Nous étions en compagnie de Sane il est le directeur général du Centre national de la cinématographie du Niger, et de Bouboukar Djungaray Maïga, il est le secrétaire général de l'Association nigérienne des producteurs de contenu audiovisuel et cinématographique du Niger. Nous disons merci à nos invités, merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis à la modération de ce forum. Je suis Michel Deji, à la technique Amina Hassan. Excellente soirée à toutes et à tous et au revoir.